Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. L'émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous le savez déjà, amis auditeurs, auditrices des radios partenaires du studio Kalangu. Samedi, 17h45, dimanche, même heure, même fréquence. Tout ça, la fada, mesdames et messieurs, au sein de cette émission, une rubrique. Une rubrique consacrée à l'artiste nigérien. L'art, c'est pas que la musique, c'est pas que le chant, c'est pas que le slap, c'est pas que le cinéma. Là, c'est aussi la peinture, le dessin, tout ce que vous voulez savoir sur ce genre d'art, sur cette émission, ça serait dans un instant avec un artiste nigérien qui fait le buzz sur la toile. Il cartonne comme pas possible à où je parle. Il est connu de tous. Et aujourd'hui, l'émission lui fait honneur. Il n'est plus à présenter, son nom c'est Ahmed Gissa, le dessinateur. Alors l'artiste Ahmed, je te souhaite la bienvenue sur l'émission Tout ça Comment tu vas ça va bien Tu pètes la forme Bien, je vais bien. Super. Alors on va d'abord parler de toi. Ok, d'accord. Faire ta biographie sur cette émission. Parler de ton parcours dans un premier angle. Ensuite, nous allons parler de ton art, de ce que tu as déjà de disponible et de ce que tu as déjà fait et de ce que tu as déjà présenté sur la toile. Qui est Ahmed Gissa C'est la première question que je pose sur cette émission. Euh, je m'appelle Ahmed Gissa, je suis euh, originaire d'Abalaktawa. Euh, à l'état civil, euh, on m'appelle Ahmed Ahmed Gissa. Je suis étudiant à l'université Moumouni à la première année euh, l'acte, lettres, arts et communications. de l'autre côté, je suis un peintre, dessinateur, portraitiste. Peintre, dessinateur, portraitiste. Alors on va détailler peintre, dessinateur et portraitiste. C'est quoi la peinture Ahmed Gissa euh, la peinture, c'est l'art de, Pour moi, c'est personnellement, mhm. c'est de représenter des choses, des animaux, des personnes en, mhm. peinture, ou bien des messages à travers euh, les pinceaux. Ok. C'est tout ça. C'est ça, ta définition de la peinture. Oui. Alors, dessin, ça veut dire quoi, Irissa Dessin, dessin c'est l'art de présenter, de présenter quelque chose ou bien quelqu'un à travers le crayon ou bien que, quel que soit les matériel. À travers le crayon, donc tu le ah fais à la main ah Oui. Sans décalque Non. Comment tu fais Alors explique-moi comment tu fais. Tu prends une photo ou une personne, tu euh, la regardes, tu la dessines ou comment est-ce que les choses se passent Comment tu fais tes dessins Bon, tout a commencé depuis mon enfance. Ah, euh, tu as commencé ça à bas âge oh, Oui. Ok, d'accord. Quand j'étais à l'école primaire, en classe, précisément en classe de CPC1, mhm. je faisais déjà des de dessins au tableau. Aucun enseignant ne peut dessiner devant moi. Waouh, donc tu es né avec, tu as ça dans le sang. Donc du coup, tu as le portrait, tu prends une photo, tu regardes, tu dessines ou comment est-ce que tu fais parce que je te vois aussi dessiner sur des tableaux, sur le tableau noir avec de la craie. Alors comment tu fais Ou bien tu as déjà l'image en tête, ou bien il te faut regarder, et dessiner, ou comment est-ce que la chose se présente Bon, si c'est pour dessiner euh, le portrait, le visage d'une personne, mhm. il faut que je passe beaucoup de temps. Je regarde la personne sur tous les angles, je regarde, je regarde, je zoome, je dézoome la photo pour que je mémorise, si je peux le dire, je mémorise bien le, les proportions, les détails du visage. Après, je, prends mes papiers, j'essaie de faire le contour. C'est le plus difficile. Le, contour, des visages, oui. Ok. Le contour des visages, j'essaie. Parfois, je ne trouve pas. Parfois, je... ça me prend des jours. Hein. Ok. Si, euh, ça dépend tu des... fais, tu refais. Comme un enfant qui apprend à marcher. Tu essaies jusqu'à ce que tu trouves le truc, euh, le bon milieu. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, une fois que j'ai eu le contour, je commence le détail. Hmm, donc on fait le contour, après maintenant on fait les yeux pour que ça soit typique à la personne. oui, c'est ça. Super. Alors, on sait que tu as commencé à bas âge. De ton début à aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté euh, La première difficulté, c'est le manque de matériel. Ici au Niger, il n'y a pas assez de matériel pour ce domaine. Parce que tu n'as pas les moyens pour t'en procurer ou bien parce qu'on n'en trouve même pas On n'en trouve même pas ici au Niger. C'est pas... Il faut à l'extérieur. Alors, regarde un peu la caméra. Nous faisons la promotion des artistes qui ont du talent. Et je sais que cette rubrique est regardée par euh, le monde entier à travers le site du studio Kalango. Et je me dis qu'à partir déjà de cet instant, L'émission Tous à la Fada t'apportera un plus. Peut-être que quelqu'un te verra et peut-être en partenariat ou en contact avec toi, il peut t'aider de l'extérieur. Je l'espère. Je voudrais au fait un message, que tu lances, un message à l'endroit de tout ce qui nous kiffe à travers cette émission. On te donne la visibilité pour qu'on puisse t'accompagner en matériel. Si aujourd'hui je te dis, en tant que quelqu'un qui a les moyens, qui peut t'aider en étant à l'extérieur, je te demande qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses te perfectionner dans ton art. Quel serait ton message il me faut des matériels modernes. Euh, c'est-à-dire, euh, actuellement, j'ai besoin de tablettes graphistes, j'ai besoin d'assez de, de matériel qu'on ne trouve pas ici au Niger. Mhm. Euh, par exemple, même les, les crayons graphistes là. C'est très difficile. on trouve ici au Niger seulement le HB. Hmm. Alors qu'il en a beaucoup. HB2, B3, ils ne sont pas ici. Et ils sont très très difficiles à avoir. Parfois, la fois passée, j'ai une, boîte hein, qui m'a été euh, envoyée par un étudiant nigérien qui fait ses études en Turquie. Et cette boîte, malheureusement, est finie pour le moment. Donc, du coup, il te faut d'autres boîtes et plein de choses qui vont te permettre de te perfectionner. Et nous espérons que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. C'était le premier angle, c'était la machine, c'était l'artiste Ahmed Gissa sur l'émission Tous à la Fada. En la rubrique L'artiste s'exprime. On se prendra plaisir à Dieu demain, même heure, même fréquence pour le deuxième angle. Nous allons parler des œuvres en question de l'artiste.